Il faut juste se limiter au, droit. Euh, le communiqué euh, de la direction générale euh, des élections n'est pas conforme au droit. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut impérativement que l'État du Sénégal commence à accepter, à respecter les décisions qui sont rendues par le, par le juge. Souvent, ils ont tendance à dire force reste à la loi. Et cette fois-ci, la décision de justice qui a été rendue euh, par le tribunal de Ziguinchor, euh, bien l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de Ziguinchor, cette euh, ordonnance n'a pas, pas, été suivie d'effet. Le Forum civil l'a rappelé hier en interpellant le ministre de l'Intérieur, M. Sidi Kaba, à donner des instructions fermes, non seulement à la mm, direction de l'automatisation du fichier, mais également à la direction générale des élections, d'appliquer de, de l'ordonnance qui a été rendue par le juge. Les avocats arguent que le recours est, suspensif, donc les avocats de l'État, son cours ne peut pas pour l'instant réintégrer dans les listes. Vous êtes de quel avis euh, Je suis du côté du droit, ce que dit l'article L100, L47 du code, électoral. Nous sommes en matière électorale, nous avons révisité, également les cas de euh, euh, recours suspensif prévus dans la loi sur la Cour suprême. Malheureusement, cette matière électorale, hormis l'élection au niveau des collectivités territoriales, cette matière électorale n'en fait pas partie. Donc il faut impérativement que l'État du Sénégal euh, accepte de se conformer à la législation, au droit et euh, fasse application de l'ordonnance qui a été rendue par le, par le juge. Quand on dit force, doit rester à la loi. L'administration également doit respecter le droit. Et c'est pourquoi nous insistons davantage euh, pour que le ministère de l'Intérieur, et même au-delà du ministère de l'Intérieur, le président de la République, qui est le gardien des institutions, euh, crédibilise davantage les institutions en respectant les décisions qui sont rendues par les juridictions, surtout en ce qui concerne l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal de Ziguinchor. Je jàngat mooy euh, nekk du côté du droit Je lan euh, communiqué avec le xam ne le DG tegul ci parce que le ku ku xamul dara droit boo lire l'article L 47 du code électoral wax que nous sommes en cette matière surtout électorale les décisions qui sont rendues par les juridictions sont d'effet immédiat. Cela veut dire quoi Que li nga xam ne moom la euh, ordonnance bi nga xam juge bi euh, rendre tribunal Ziguinchor euh, waxuma sax mais c'est le ministre de l'intérieur Monsieur Sidik Kaba qui moo war a instruction te gannaaw Monsieur Sidik Kaba également le président de la République en tant que gardien des institutions moom moo war a instruction pour mener Wadaf, waa DAF direction automatisation du fichier mais également la direction générale des élections pour que décision bi nga xam ne moom euh, euh, juge bi rendre di ordonnance d'ailleurs ñu appliquer ko parce que euh, euh, euh état de droit dafa nekk loo xam ne moo ñu protéger ñu ñëpp mais bu ñu demee ba gis ne administration daanaka dootul bëgg di respecter yi nga xam ne mooy jël juridiction yi lolé nek problème ci Sénégal. léegi avocat état bi ñuy wax né da am recours bi bi ñu dugal tax Sonko mo ko jël liste yi mom la lay wax sank ne la damay wëru ci droit moy article L 47 bi ne ñu nek nekk en matière électorale gannaaw élection territoriale bokku ci lolou da ngay dem ci euh, loi bi nga xam mom mo teunk cour suprême wax la ay cas yan cas mo moo moom nangu recours suspensif mais cas bi bokku ci da dem également ci L 47 muna la bu fekkente ne matière électorale décision yi ñu rendre nek da fay immédiat donc droit la nekuma ci avocat Sonko wala nek ci avocat état wala nek droit la wax ku am leneen beneen argument boo génnee également nga nga nga teg table bi mais li le droit wax donc état bi dañ koy ñaan mu appliquer parce que daru jaru fi dara dañ koy ñaan mu appliquer pas ñaan dañ koy exiger mu appliquer également euh, li nga xam mo tuké ci juridiction bi euh, voilà jëm ci également monsieur Sidik Kaba mais également jëm ci euh, DG e ak Wadaf